Euh, tu sais cuisiner Moi, j'adore. Tu adores cuisiner Tu cuisines quoi, Jupiter je cuisine un peu, des spécialités béninoises, des spécialités guinéennes. Ah bah justement, spécialité béninoise, quel est le plat national béninois s'il en existe moi je dirais mon plat préféré. Oui. C'est, euh, ça s'appelle atassi. Atassi, c'est à base de euh, quoi C'est en fait du riz des haricots euh, préparés ensemble. Oui. des haricots rouges pour donner une certaine couleur au riz. Et avec de la sauce tomate. Hum, un, piment spécifique avec du gingembre, on peut écraser et tout du poisson frit ou euh, du poulet. D'accord, ok. C'est ton plat préféré béninois Non, c'est mon plat préféré tout court. D'accord, du monde mondial. Mais il est béninois. <laughs> Mais il est béninois. Alors, côté Guinée, Conakry, quel est ton plat préféré euh, La sauce euh, feuille. La sauce feuille, mhm. d'accord, avec l'huile de palme. L'huile de palme, Et avec des crevettes séchées ou du poisson. Moi, je me contenterai de la viande. De la viande <laughs> <laughs> Après, c'est chacun son truc. Ah c'est clair. Mais Fatim, si on fait une traduction en peul, qu'est-ce que, est-ce que les tu vas pouvoir le eh ben, pourquoi pas C'est une, idée, c'est une idée. C'est-à-dire qu'on fait, on fait la, le, menu du jour, la recette d'aujourd'hui. Euh. On la fait en français. Elle la lit en français et puis tu fais la traduction, peu. Ça va être dur, ça. Non, non, tu vas essayer. Ah, bah, si, tu, tu comprends peu non Ouais, ça va. Moi, je suis né, j'ai grandi au Bénin. Hein. Eh je comprends peu, mais <laughs> après, bah, après euh, euh, je, ne fais pas cuisiner un peu, là. Mais justement, au Bénin, on peut essayer. à, part parler le français, il y a, quelles sont les langues Il y a le fond. Il y a le fond. Qui est la langue la plus. Parlée. Ah bon D'accord. Donc, et, pas le fond. Le ah, fond. Ah, le fond. Le fond. F-O-N. D'accord. Et tu parles le fond Oui, très bien. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu peux faire aussi la traduction en fond Mais personne ne va comprendre. Ah. non, mais, que <laughs> mais on ne sait jamais. On a, des, auditeurs. on a des auditeurs. on, a des panafricains. On On est des panafricains. On peut essayer le peul. <laughs> si je mens, c'est pas grave. Personne ah. ne va m'attraper. Ah, tu penses qu'il n'y a pas des peuls ici Il y a des peuls. Hein. En face, là, il y a des peuls. Hmm, les techniciens, il y a des peuls. Ils disent Oh, bébé, bébé, c'est pas la bonne traduction. <laughs> Allez, le jingle cuisine, il est 9h58 minutes alors aujourd'hui je vous propose des boulettes de poulet aux épices ossa. <laughs> en cuisine, des boulettes de poulet aux épices ossa, cher. Boulettes de poulet aux épices ossa. Donc, pour. Euh, ah, comme mon un euh, Untu. Et aux épices Aoussa, franchement. Euh, tu dis épices Aoussa, c'est pas grave. un <laughs> Untu, euh, oui. Et épices Aoussa. <laughs> Alors, pour préparer <laughs> ces, boulettes de poulet aux épices Aoussa, hmm. il vous faudra du blanc de poulet. Si à Defei, ça Defei Niamere, il vous faudra quoi Des blancs de poulet. la mari besoin de Théo Ghetto d'année. D'accord, il raconte des bêtises, j'en suis non, Non, non, non, je raconte pas de bêtises. <laughs> j'essaie, j'essaie, mais je raconte pas de bêtises. D'accord, il vous faut une tranche de pain. Euh, donc, bireri. Il vous faut euh, un blanc d'œuf. Euh, bof. Hein. Il vous faut euh, trois cuillères à café d'arachide grillé finement moulu. les Français, là, vraiment. <laughs> <laughs> Vas-y. Donc, qui est Tati Ok, d'accord. Euh, alors, on me demande c'est quelle langue C'est du Peul. Hein. Il fait la traduction en Peul Jupiter parce qu'il est Peul. Il vous faut euh, du piment rouge en poudre. Euh, piment, c'est quoi Nyamaku, Nyamaku, Nyamaku, D'accord. Il vous faut du paprika. paprika. <laughs> Il vous faut du sel. <laughs> du gingembre. Il vous faut de la poudre d'ail. Non, mais c'est sérieux, on peut s'y rire parce que j'ai dit Jinja. Non, vas-y. Euh, ah, le besoin. Non, aïe, je sais pas. D'accord, bah tu dis aïe. Hein. Aïe. Euh, il vous faut de la poudre d'oignon. Le mari besoin. Euh, basalé. Il vous faut un gros oignon. Basalé, Djanda. D'accord. Pour, euh, faire, euh, pour faire la cuisine, on va switcher en Wolof, hein, parce que je sais que c'était un petit peu laborieux. On va faire la traduction en Wolof, ok Pas de souci. Ça te va. Merci beaucoup, Jupiter. merci, merci. <laughs> merci de te libérer. Voilà. <laughs> Alors, Rahma, allez, la, la, la transition Wolof. Alors, pour faire ces fameuses boulettes de poulet euh, aux épices Aoussa, il faut couper le poulet en morceaux et le hacher. Wow, pour togg une boulette euh, ginaar boo xamante ne nii hmm. da ngay le, soble. il faut couper le poulet en morceaux. da ngay jël euh, ginaar gi nga dagg ko le hacher à l'aide d'un robot ou bien tu le piles. après nga def nga hacher ko euh, nga koy tu wala nga ko alors mettre la tranche de pain dans un bol d'eau pendant quelques secondes. Et puis incorporer le pain au poulet haché. préparez votre mélange d'épices en mélangeant. Euh, épices euh, les arachides moulues da ngay jël euh, gerte bu ñu bu tooy. non moulu moulu. bu ñu wa euh, gerte bu bu ñu dëbb ba mu mokk. d'accord et le piment. nga jël kaani. le paprika. nga jël paprika. paprika c'est fël-fël. Hein. fël-fël voilà. le sel. nga jël xorom. l'ail. ak laaj. le gingembre. ak gingembre. l'oignon en poudre. nga jël euh, soble bu pëndëx. d'accord vous utilisez deux tiers du mélange de toutes ces épices pour assaisonner le poulet waaw nga jël nga xaaj ko nag ci euh, digg bi nga jël euh, ko pour euh, def ko ci ginaar gi nga xam ne nga boole ak mburu bi. ajoutez le blanc d'œuf et mélangez le tout. nga daal di jël blanc œuf bi nga sotti ko si nga jaxase ko maanaam nen bi lu weex li ci biir. formez des boulettes avec le poulet haché en mouillant vos mains pour vous aider. léegi nag da ngay jël affaire bi nga di ko dank ci sa loxo mais da ngay towel sa loxo ba pare balaa nga koo def. la pâte est un peu collante et molle mais c'est normal hein? waaw pâte bi nag dafay coller ci say loxo mais c'est normal bu mel précuire les boulettes sur euh, un couscoussier pendant 15 minutes ou simplement au micro-ondes pendant 6 minutes. nga jël boulettes yi nga tay ko wala nga def ko ci micro-ondes. Faire cuire euh, ensuite dorer les boulettes euh, à la poêle ou à la braise sur un barbecue, c'est selon vous Wa bu la neexee nag nga jël euh, bul yi nga doore ko nga def ko ci sa benn barbecue nga lakk ko. Mhm. wala nga def ko ça dépend ci sa goût. Émincer les oignons. faire griller rapidement à la poêle avec un filet d'huile d'olive. d'olive. d'olive. saupoudrer le tout du reste du mélange d'épices tu sais j'avais pris euh, la mhm. moitié la dernière fois. Euh, voilà vous pouvez accompagner ces boulettes de salade ou bien de frites ou d'aloko et voici voilà euh, les fameuses boulettes de poulet aux épices à ossa. on va les goûter. ah oui on va les goûter avec plaisir accompagnement à aloko frites ou salade les internautes voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour la cuisine. ça a l'air bon ou pas. ça a l'air magnifique. je préfère ça a l'air magnifique. franchement déjà que j'ai rien pris depuis le matin. ah, ah tu <laughs> t'as pas encore pris le petit déj. non non je pense que Joyce euh, va t'aider pour prendre ton petit déj aujourd'hui puisque tu es son invité spécial. Alors. c'est que Sécurité. <laughs> Alors, les derniers mots, quand même, Jupiter, ton dernier mot, avant de quitter la matinale, des infos à donner. Ben, tout ce que j'ai déjà à, à dire. fans. Tout ce que j'ai déjà à dire, c'est merci. Mhm. Merci à la matinale, merci surtout à King FM, mhm. qui est, je pense, la radio qui m'a le plus reçu depuis que je suis là. Mhm. Euh, pour me suivre sur Facebook, c'est Jupiter Davibe, Jupiter, espace e D-A-V-I-B-E, Davibe. Mhm. Euh, Instagram, Jupiter Davibe, Snapchat, Jupiter Davibe, tout c'est pareil. Et ensuite, euh, voilà, suivez-moi, vous allez avoir plus d'informations sur mes pages. Et euh, merci, merci à vous. Un retour au Sénégal imminent bah, là, j'attends que vous m'invitiez. Ah. <laughs> je me suis fait inviter, j'attends bien maintenant que vous m'invitiez. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on le dit, en tout cas, bonne continuation, bon vent, beaucoup de sérénité, de courage, de volonté dans toutes tes entreprises. Et comme tu l'as dit, rigueur, travail, professionnalisme. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, euh, Rahma, oui, euh, je vous donne rendez-vous à mercredi, inshallah, euh, Inch'Allah, avec Fatim Joyce. Très bien, merci Joyce. Yes, oh, donc comme on disait tantôt que c'était le rendez-vous aujourd'hui, non. Donc le prochain rendez-vous c'est demain, non. Même heure, même fréquence, 99.4, 8h, euh, 10h. Euh, Dans les studios Motorola The King FM. Hello Moto, c'était Joyce, bonne journée. Allez, au revoir tout le monde. 10h05 minutes. C'est fini pour la matinale de Morning King dans le studio Motorola sur la 99.4 et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et puis sur le live. Euh, voilà. Et l'application GFM et vous tout à l'heure sur la RFM 94.0. Ben Fatimo et puis sa playlist musicale Oldies Goldies, la playlist d'aujourd'hui, c'est-à-dire Back in the